Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire euh, du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la première édition du forum de la jeunesse de la région de Tilaberi avec pour thème l'apport de la jeunesse de la région dans les efforts de paix et de sécurité. Nous parlerons aussi de l'attaque terroriste de Tamou qui a coûté la vie à des soldats et deux blessés, dont un civil. L'actualité, c'est aussi cette conférence de presse animée samedi à Niamey par le conseil d'avocats de Mahaman Ousmane au sujet de l'état d'évolution de la plainte déposée par ce dernier le 21 juin 2021 devant la Cour de justice de la CDAO. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la situation de l'hôtel Gawé de Niamey dont le personnel cumule 7 mois d'arriérés de salaire. Pour commenter et analyser tous ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Abakari Yarimi de la radio alternative. Abakari Yarimi, bonsoir. Bonsoir. Alhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse euh, de ce vendredi 1er octobre par la première édition du forum de la jeunesse de la région de Tilaberi, tenu dimanche à Tilaberi. Et ce forum a pour thème apport de la jeunesse de Tilaberi dans les efforts de paix et de sécurité dans la région. Il permettra à la jeunesse d'apporter sa contribution sur la sécurité de la région. Deux éléments de la garde nationale tués, deux autres blessés, dont un civil, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la nuit du jeudi 23 septembre aux environs de 23 heures à Tamou, au département département de Saï, région de Tilaberi. Hussein Issa Jibou, avez-vous d'autres informations au sujet de cette attaque ah, <laughs> C'est une zone, comme on le sait, qui fait partie des trois frontières, n'est-ce pas Je ne suis pas surpris, comme ils disent, qu'il y a une attaque, il y a eu d'autres attaques qu'on a connu Torodi, l'attaque de Torodi où on a perdu 19, 19 de soldats, on a perdu également, il y a eu des disparus, on a perdu également des pertes euh, sur le plan matériel je ne suis pas surpris. Je me dis quelque part, cette affaire-là, Tamou, c'est une zone qui fait frontière avec euh, pratiquement le Burkina et le Burkina et le, le non, loin du parc W. Ben, bien sûr, on peut même l'intégrer dans le parc W parce que c'est la même zone. C'est la même zone. Bon alors, s'il y a des choses comme ça, c'est que, bon, tout simplement, tout le bruit qu'on est en train de faire, on ne crée pas les conditions véritables pour que on puisse mettre fin à ça. Vous n'êtes pas surpris Mais bien évidemment, toute la bande, si tu prends de Gaïa jusqu'à pratiquement, jusqu'à, comment on appelle Filingué, en passant jusqu'à... Ce n'est pas prévisible ce genre de... Ce n'est pas surprenant ce genre d'attaque. Il faut s'attendre à ça parce que tout simplement, c'est une zone où aujourd'hui, il faut que les gens se rendent à l'évidence. Ceux qui viennent attaquer là, ils ne viennent pas d'ailleurs. Hein. Ils ne traversent pas une frontière. Certainement que c'est des gens qui sont sur le territoire, qui ont des planques, qui se lèvent, ils voient, ils attaquent ils ont besoin de machin. Ils voient un peu les mouvements des forces de défense, des éléments des forces de défense et de sécurité. Quand il y a un relâchement par rapport à la vigilance, ils vont, ils attaquent et puis ils retournent dans leur planque. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Donc, selon vous, les gens ont baissé la vigilance ou c'est le renseignement qui fait défaut Mais quel renseignement Ce n'est pas qu'il n'y a pas les renseignements. Aujourd'hui, quelque part, on peut se demander même, les renseignements même peuvent fonctionner comment Ça peut fonctionner comment tout le monde connaît. Tout le monde, en alertant, mais même quand vous alertez, il n'y a personne pour aller réagir. On veut éradiquer ce phénomène-là. On n'a qu'à ratisser. Ratisser comment On n'a qu'à ratisser village par village, campement par campement, hameau par hameau, pour voir. On va trouver des armes, des munitions. On va demander à la personne où on a trouvé ces munitions-là. On va lui demander tu fais quoi avec. Est-ce que c'est compliqué ça mais quand on laisse faire, ils ont pris goût. Parce que c'est une question de. C'est un game facile. Vous venez, vous tuez, vous pillez, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et vous allez revenir au bout de quelques temps. Quand les provisions là vont finir, vont commencer à s'épuiser, vous allez revenir encore pour attaquer. Selon vous, c'est du pur banditisme Moi, je suis convaincu. Hein. Hey, un État là un État qui dispose d'armées, d'armée, une armée régulière, qu'on dise que de, temps en temps, de manière euh, périodique, que des gens ils viennent, ils attaquent, qu'on dit à moto, ceci, cela. Un État régulier, un État qui dispose d'une armée. Moi, je dis, on peut mettre fin à ces choses-là. C'est des choses qui sont fomentées localement de toutes pièces avec des individus qui sont là, qui ont pris goût. On peut les éradiquer. Avec la volonté, hein, la bonne volonté, il faut mettre fin à ça. Il ne faut pas compter sur les Blancs là pour penser qu'ils vont venir nous libérer. Ils vont pas venir nous libérer. Eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Mais nous, en compte, on dit non, il faut qu'il soit la présence euh, djihadiste, machin, tout ça, c'est des inventions des Blancs. Là, Mohamed Suleiman, le forum de la jeunesse euh, de la région de Tilaberi n'est-il pas un forum de plus quand on sait que la haute autorité à la consolidation de la paix a organisé euh, ce genre de forum dans plusieurs localités de la région auparavant Bon, je ne dirais pas que c'est un forum de plus, en ce sens que la cible, la jeunesse est le, thème paix et sécurité, effectivement, c'est d'actualité. Les jeunes, justement, euh, c'est une cible qui est censée euh, agir, en tout cas, de concert avec euh, l'autorité. Et aussi, on pense que s'il y a des gens qui sont prisés par les terroristes, pour l'enrôlement, c'est bien les jeunes. Donc, je pense que faire ce forum donc à l'endroit de la jeunesse, c'est une très bonne chose. Oui, mais à euh, est-ce que le forum seul suffit Bon, parce que vous savez, la question de sécurité, elle est large. Les gens ont tendance à voir que l'aspect militaire, euh, mais c'est très large parce que on pense euh, qu'il faut euh, réfléchir. Il y a, par exemple, dans cette situation, des gens qui ne sont pas forcément, euh, qui sont venus d'ailleurs, tu vois quoi, qui sont là, peut-être qui sont égarés, peut-être par manque de perspective. Beaucoup d'analystes ont parlé aussi du défi du développement mais justement, c'est pourquoi, effectivement, il va falloir euh, euh, réfléchir. Et c'est justement à travers ce genre d'occasion qu'on peut amener les jeunes à créer, en tout cas, des, des projets porteurs qui vont vraiment leur permettre tout simplement de se retrouver que d'aller de l'aventure. Euh, je pense que c'est. Euh, il y a cette difficulté. Par exemple, au niveau de la région de, de, de, de il y a des gens qui parlent de, dialogue. Parce que tout simplement, et quand je vois le profil des gens qui prennent ce dialogue, c'est parce que ça, effectivement, il y a certainement des acteurs sur le terrain qui méritent d'être impliqués, peut-être que qui ont d'autres raisons, peut-être euh, à vouloir euh, accompagner, les, en tout cas les touristes. Donc je pense que c'est la question de sécurité, elle est, elle est, elle est, elle est large il va falloir discuter avec tout le monde. La question du développement, euh, par, tout à l'heure, la Hussein euh, semble dire que, franchement, maintenant, je pense qu'en réalité, il y a que des efforts sont en train d'être faits. Et je pense que je ne suis pas pessimiste que, véritablement, quand je vois la vision, en tout cas, du président qui est en place, il l'a dit clairement en France. Hein, dans sa conférence conjointe avec euh, euh, Macron, non, ce n'est pas le rôle des, militaires français de venir combattre euh, à la, place de nos, soldats. On a besoin plutôt d'un appui en termes de renseignement des Français. Donc, je pense qu'on regarde vraiment tout simplement, le, récemment, le président était là-bas à, notamment à, à, la, En tout cas, sa, sa vision, c'est qu'il va falloir traquer euh, les terroristes euh, inattestent euh, un peu partout. Donc ici, l'offensive s'impose. Mais en réalité, on se rend compte que c'est un peu complexe. Au-delà du de, de, côté donc, militaire. il faut aussi mettre en branle d'autres stratégies, réfléchir véritablement comment effectivement impliquer tout le monde à comprendre que la voie la plus porteuse, en tout cas pour les citoyens, c'est travailler dans un cadre, en tout cas, sans euh, insécurité. Parce que, bon, vous voyez aujourd'hui la question des de, de, motos, on a vu ça à Difa, où l'économie de la région a été euh, prise en otage. Euh, il n'y avait pas de, des activités, en tout cas économiques. Mais justement, parce que quand il n'y a pas de sécurité, effectivement, tout va être remis en cause. D'où la nécessité, effectivement, je pense, de discuter avec, avec les jeunes mais surtout, euh, surtout véritablement euh, qu'on puisse, euh, ce n'est pas seulement de, de, forum. Maintenant, qu'est-ce que les jeunes, eux, vont proposer, puisqu'ils sont informés, ils sont du terroir, s'ils viennent de toutes les, les contrées de Tilaberi, qu'est-ce qu'ils proposent véritablement pour faire ce que dit Parce qu'aller, justement, comme ils propose, avoir des munitions, mais avec effectivement la collaboration des, populations, en s'excusant en tout cas être des présumés collaborateurs que, oui, des terroristes. est-ce que, ce que les jeunes peuvent collaborer dans la pauvreté euh, aussi la menace. <laughs> Mais, justement, je pense que c'est à l'État de leur garantir justement la, la sécurité. Donc vous voyez un peu, c'est assez, assez délicat. Euh, d'où effectivement, il faut réfléchir euh, profondément. Les actes isolés comme ce qui s'est passé à, Tamou, c'est le mode opérateur de terroristes. Ils vont tous cibler, même ici à Niamey, ici à, Kouré, il n'y a pas longtemps. Ils, vont tous cibler un endroit. Euh, effectivement, lorsque la violence vraiment n'est pas de, mise, ils vont venir agir. effectivement, parce que simplement, c'est leur façon d'opérer. Et l'État aussi, les moyens sont limités on ne voit pas tout. Abachar Yarimi, au-delà de la région de Tilaberi, comment amener la jeunesse nigérienne à inscrire ses actions dans le cadre de la promotion de la paix D'abord, en parlant de la, de la jeunesse, j'ai l'impression qu'on parle euh, juste d'un groupe très homogène où les gens se connaissent presque tous et tout, alors que ce n'est pas le cas. Euh, au Niger, on pense que, en fait, on dit que 65% de la population nigérienne a moins, de, moins, de, 25 ans. Mhm. Donc c'est vraiment euh, sur les 25 millions, peut-être 12, 13 millions euh, de Nigériens qui sont jeunes. Et donc, pour vraiment amener un, une telle masse, vraiment un tel nombre de, de personnes à comprendre, sachant que nous avons beaucoup de barrières, dont la langue, n'est-ce pas En ville, euh, généralement, les jeunes qui organisent ces forums-là, ils parlent en français, n'est-ce pas Or, euh, la masse, la grande vraiment partie des jeunes est dans le moteur. Oui, vous voyez, mais les jeunes, les, autres sont... Vous parlez clivage entre... Euh, entre jeunes urbains. Et, oui, ben, sincèrement. Donc, est-ce que, comment ces structures de jeunes sont choisies n'est-ce pas, mise en place. Ah oui, c'est important C'est extrêmement important, à mon avis. Il faut, euh, si, pour faire, c'est presque la même chose pour les autres structures, partis politiques, machin. Mais, euh, si, vraiment, on prend des étudiants ici à l'université pour les transporter. Pour les transporter et dire que c'est un forum de jeunes, bon, ce n'est vraiment pas ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement à Tilaberi. Mais pour dire que, pour que ça soit représentatif, il faut que tout le monde soit concerné et maîtrise le sujet qui est posé. N'est-ce pas En langue nationale. En, langue nationale, à langue du terroir. Mais aussi, euh, qui va parmi ces jeunes-là euh, dans les structures, dans les, dans les groupes armés euh, qui, qui, se prêtent au jeu d'attaquer à droite, à gauche, mettre du feu, tout ça. N'est-ce pas Généralement, ce n'est pas ceux qui sont en ville n'est-ce pas, et que c'est les autres classes certainement parmi les privilégiés. Donc, il faut vraiment, à mon avis, mieux structurer. Un forum inclusif. Il faut vraiment aller au fin fond du Niger, n'est-ce pas, à savoir aussi la préoccupation de ces jeunes-là quand Boko Haram a commencé à Difa, on dit euh, quand ils viennent te contacter, ils vont te donner une moto, ils vont te donner 300 000 francs et ils te donnent le fusil, qui est le symbole du pouvoir un jeune qui se sent jusque-là exclu du système, à qui on donne une masse d'argent telle qu'il n'a jamais vu de sa vie, n'est-ce pas Et il est prêt à partir. Ceux-là aussi, il faut aller les voir. Donc, à mon avis, oui, euh, on parle vraiment grosso modo euh, de la jeunesse, mais euh, est-ce que ceux qui vont de la ville pour organiser ces forums-là sont représentatifs des jeunes Nigériens ça, c'est important. Il faut vraiment, il faut, il faut, en tenir compte. Et il faut donc impliquer les parents aussi qui sont dans les villages, dans les, qui est vraiment leader parmi ces jeunes-là, qui parle et est écouté par les autres jeunes. C'est important. Et donc, il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'honnêteté. N'est-ce pas Il ne faut pas faire pour faire. Vraiment, de la poudre aux yeux, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, les institutions vont donner euh, de l'argent, les ONG internationales vont donner de l'argent pour faire parler de, à la télévision et ça s'arrête là. Non, allons-y avec des programmes vraiment cohérents vers toute cette jeunesse-là, parce que c'est eux aujourd'hui le Niger, mais demain surtout c'est encore eux. Le, Niger, Niger, feront partie de ceux qui vont décider bientôt parce qu'ils ont 25 ans et moi, et donc, dans 10 ans, 15 ans, c'est vraiment eux qui seront aux affaires. Et il faut qu'ils se sentent concernés. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Dans une euh, conférence de presse animée samedi à Niamey, le conseil d'avocats du président du RDR Tchangi, Mahaman Ousmane, a présenté l'état d'avancement ou d'évolution de la plainte euh, déposée par ce dernier le 21 juin 2021 devant la Cour de justice de la CDAO. Ce conseil a déclaré avoir reçu communication de la Cour, le mémoire en défense de l'État du Niger le 13 septembre dernier. Abachari Arimi, que peut-on comprendre au sujet de ce feuilleton politico-judiciaire qui s'invite devant la Cour de justice de la CDAO Le Niger, on dit, hein, c'est un laboratoire de, matière de démocratie. Et voilà une affaire purement et simplement euh, nigérienne qui est transportée. Purement euh, et, euh, purement euh, simplement nigérienne Oui, transportée au sein, devant la cour de la, de la CDAO, n'est-ce pas, qui va prendre le temps qu'il faut pour vraiment trancher de cette affaire. Et ça sera pour quel résultat Parce que le Niger a, depuis six mois maintenant, n'est-ce pas, notre président, élu dans le cadre de cette affaire-là qui est remise en cause, n'est-ce pas Est-ce que la partie vraiment, l'autre partie, si je veux dire la, la, partie de Maman, Ousmane, s'attend au fond à quoi est-ce que pour montrer que bon, c'est une autre façon de faire l'opposition et une autre façon de, de conduire les affaires vraiment euh, du pays, euh, est-ce que ça veut dire qu'un jour va venir où on va arrêter Monsieur Bazoum, euh, vous n'avez pas été correctement élu, il faut arrêter à partir de tel. Qu'est-ce à quoi on va aboutir moi, vraiment, je ne prends pas, je comprends pas trop euh, la démarche, n'est-ce pas C'est pour quel résultat on est en train de faire. Oui, c'est bien d'ester vraiment devant une euh, juridiction aussi importante. Il, dit que c'est sa vision de faire l'opposition comme ça. Non, mais moi, la vision, euh, quand vous avez été vaincu à des élections, n'est-ce pas, les institutions nouvelles sont mises en place n'est-ce pas, l'opposition, on sait comment ça se fait. Il faut dénoncer ce qui se fait, n'est-ce pas Aujourd'hui, on sait que le président Bazoum est engagé, par exemple, c'est ce qu'on dit euh, en tout cas partout, est engagé dans la lutte contre la corruption. Est-ce que c'est le cas Le président Bazoum, ah, par rapport à Barkhane, c'est quoi sa position Son ministre a pris, en a parlé, les Maliens ne sont pas contents, il faut intervenir. Et une opposition, c'est toujours dans la durée. S'il faut attendre 5 euh, ans et on, dit, on va dire que tu as raison ou tu n'as pas raison, alors que... Le ah, ah, après la fin du mandat Après la fin du mandat, vraiment ce n'est pas ça l'objectif. À mon avis, c'est une opposition traite des questions en profondeur sur l'actualité, sur des questions vraiment de préoccupation nationale Je pense que ce n'est pas euh, une bonne affaire euh, en fait, à poursuivre vraiment à mon avis. de Mohamed Souleymane, avez-vous d'autres informations ou précisions au sujet euh, de cette saisine de la Cour de justice de la CDAO par le candidat Mohamed Ousmane Je constater, comme tout le monde, euh, Maman Ousmane et son avocat, effectivement, ont fait une conférence de presse euh, pour dire qu'ils euh, n'ont pas fini avec le contentieux électoral. Et voyez, comme l'a dit Arimi, beaucoup de Nigériens sont surpris qu'on parle de ces élections au passé. D'une certaine façon, on peut dire que le principe, c'est que la Cour de la CDAO, et ce que disent les juristes, hein, elle n'est pas plus compétente que la Cour constitutionnelle. Euh, c'est pas sa compétence, justement, même si par hasard, elle arrivait à trancher en faveur de Maman Ousmane. Euh, c'est pas une juridiction, une, supranationale. Elle, n'est pas plus compétente que la, la Cour constitutionnelle. Et par le passé, elle a rendu des décisions au niveau des États les États ne sont pas tenus effectivement à suivre ces décisions. Donc, bref, euh, moi, je pense que Maître Laurent il donne son rôle de son chef médiatique, c'est un avocat, vous voyez, euh, il a un client, effectivement, il est payé pour faire son, euh, son, travail, en principe. Mais ici, en fait, c'est le candidat, effectivement, Ousmane, qui, depuis les élections, est dans une sorte d'hibernation. D'hibernation, il, il ne fait rien, en tout cas. Ah. Les, les, citoyens se demandaient où est passé Ousmane. Et vous avez vu l'autre élément aussi qui ne trompe pas. Vous, voulez dire qu'il ne joue pas le jeu de, l'opposant Entre nous, en tant que journaliste, qu'est-ce que Osman a fait depuis que, en fait, les, élections On ne sait pas mais dans, le Niger. Donc, aussi un autre élément qui ne trompe pas, on nous montre cette conférence-là, on n'a pas vu les opposants, en tout cas, qui l'ont accompagné euh, dans ces élections. On n'a pas vu vraiment les partis les plus significatifs à côté de lui. Ça veut dire quoi que, Est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas à sa en tout cas à sa, lutte actuelle. Donc euh, moi je pense que... Mais, selon vous, pourquoi les autres leaders de l'opposition ne, sont pas, n'étaient pas présents à la conférence de C'est la deuxième activité qu'il a organisée. On a constaté l'absence, euh, euh, le silence vraiment assourdissant de ses, de ses alliés. Selon vous, Donc, pourquoi Cela veut dire que quelque part aussi au sein de l'opposition, il y a certainement une, une, une divergence de perspectives. Autrement dit, la voix de Momo Ousmane n'est pas partagé, n'est pas la plus partagée par, les autres opposants. Donc, bref, euh, euh, je pense, comme l'a dit Arimi, il y a suffisamment de, chats à fouilleter dans la, euh, en tout cas dans la, de la gouvernance actuelle. L'opposition. Rappelez-vous aussi, Ousmane avait appelé les députés de l'opposition à ne pas aller au, Parlement, ils sont allés au Parlement. Donc, autrement dit, vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez comment, dans la réalité, je ne parle pas de l'imagination, c'est qu'on se rend compte que au sein de l'opposition, à l'Assemblée, par exemple, ils jouent leur rôle, les, les, oppositions sont dans, dans, cadre du le bureau de, euh, euh, de l'Assemblée nationale. Tout se passe bien. Donc, quelque part, je pense que Ousmane est dans une euh, aventure ambiguë, comme dirait l'autre, de sorte que, franchement, à, quoi ça rime Non, je pense que Ousmane doit se, se dire qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son, dans son lait que véritablement, euh, je ne pense pas que la préoccupation des, Nigériens se, situe à ce niveau. Les Nigériens voudraient qu'effectivement, on voudrait bien que Ousmane euh, prenne euh, le, président Bazoum. Vous avez dit, vous avez dit contre la, la corruption. En, fait, je pense que quelque part, ce travail par le passé, je pense qu'on a connu de, des oppositions. C'est un ancien président. Quelque part, aujourd'hui, je pense que ce qui risque, c'est de vraiment après avoir franchi le Rubicon, il a une image de démocrate. Il a franchi le, euh, risque en tout cas de perdre ces, éléments parce que quelque part, en réalité, les principes sont les principes, mais il faut savoir s'arrêter. Hussein Issa Jibo, en compagnie de son avocat, Maître Lirouane Abdraman, l'ancien euh, chef d'État, est euh, revenu sur les raisons de sa plainte avec ce qu'il a notamment qualifié de vote trafiqué et c'est dit optimiste quant au verdict de la Cour de justice euh, communautaire. La plainte euh, du président du RDR, Tchangi Mahamoud Ousmane, a-t-elle euh, des chances d'aboutir au <laughs> Tu sais, moi, j'ai la tête, en tout cas, sur les épaules et puis ça, veut dire quoi Ça veut dire quoi l'ai pas Ça veut dire quoi tout non, ça Non, regardez. Avoir la tête sur les yeux. le coup d'abord qui soutient et puis je n'ai jamais vu. Là où un président qui a été investi, qui a mis un gouvernement, qui a mis toutes les, structures sont en place. C'est bien de rêver, mais il y a des limites même, n'est-ce pas Moi, je ne vois pas la CDAO, c'est quoi C'est quoi la CDAO La Coupe de justice de la CDAO, c'est quoi C'est pas lié à la CDAO, l'institution président, machin, tout ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qui va changer Il a raté le coche. Aujourd'hui en Afrique, vous allez aux élections où tu te bats quand on veut te confisquer le pouvoir au moment opportun. Oh, tu vas aller te coucher pour dire que toi, tu suis les voies, la, voie légale. Il <laughs> n'y a, pas de voie légale selon vous Non. Attends, un voleur, tu me voles, je te vois, je te laisse courir. Au lieu de te poursuivre, je vais aller me coucher pour dire, bon, je vais aller saisir la justice parce que je n'ai pas le droit de te poursuivre. Et pensez que cette justice-là en Afrique va me donner raison. Dis-moi dans quel pays ça s'est passé jusqu'ici. En tout cas, en Afrique euh, française, en Afrique occidentale il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas vu. Alors, on est dans une situation où, bien évidemment, à partir de quelques éléments, l'avocat est sorti, il a cru devoir animer une conférence pour dire voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé, on est confiant et tout et tout. D'accord, à supposer même que la CEDAO donne raison, ça va se passer comment Je pose la question. Parce que la CEDAO va dire à Bazoum, te donne jusqu'à tel délai pour restituer le pouvoir. C'est peut-être un verdict ou une décision de principe, même si c'est le cas. Mais que la CEDAO va venir pour dire à Bazoum, bon, c'est fini, hein. tu as pu profiter de ce que tu as pu profiter. <laughs> non, Maintenant, selon, selon, vous, tout, tout, tout est perdu d'avance. Ah non, moi je me dis, moi, en fait, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constat. Aujourd'hui, la CEDAO n'a jamais posé ce genre d'acte une seule fois. À ma connaissance, je sais, il y a eu des conflits post-crise, post-électorale. Je n'en ai pas entendu parler. Peut-être que euh, ça va être euh, la, pas Être, ça va pas être l'innovation. C'est pas possible. Moi, je ne me fais pas d'illusions. J'ai assisté à cette conférence-là. J'ai regardé. J'ai dit, mais c'est quoi Ça rime à quoi tout ça Ça rime à quoi la justice même dans nos pays là, ça rime à quoi La justice, c'est celui qui a le pouvoir, qui détient la réalité du pouvoir. C'est ça la justice. Dans, non, c'est pas, je le dis, c'est pas que j'encourage, mais <laughs> il n'y a pas de séparation véritable de pouvoir. la Cour de justice, la CEDAO là, ce pas des individus qui vont venir s'asseoir pour trancher dans un dossier sur la base des pièces, des dossiers qui ont été fournis. Ça va changer quoi et ils ont fait leur travail pour lequel ils sont payés. tout à l'heure, Mohamed Souleymane disait qu'il n'a vu aucun leader constant euh, oui, mais bien, de l'opposition C'est un constat que je partage. Ce n'est hmm. pas la première fois, l'autre sortie qu'il a eu à faire au siège. Mais, comment expliquer ce état de fait Moi, je ne peux pas expliquer. Mais est-ce que. Bon, mais comment je vais expliquer Comment expliquer cet état de fait Est-ce que moi, je suis un leader Je ne suis pas un leader. Je suis allé juste pour voir couvrir l'événement. Mais alors, mais comment se fait-il que vous étiez au nombre de combien au départ Aujourd'hui, quand il y a des sorties où tu viens toi-même personnellement en tant que challenger du candidat qui, a été proclamé président, mais il n'y a pas les autres. Il n'y a pas les autres. C'est ceux qui viennent s'asseoir à côté de toi. ils ils n'ont pas de poids pour qu'on considère. Bon, alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ah, bah, peut-être que bon, les gens se disent bon, on ne peut pas continuer à, jouer ce jeu-là. Ça, ça, sert à quoi de, Là où la personne même qui, qui, dont on a, qui considère qu'on lui a confisqué le pouvoir, ou du moins on l'a. On, on Cette personne, lui-même, il n'est pas convaincu de ce qu'il doit mener la lutte. Mais alors, mais pourquoi quelqu'un va s'engager que les gens vont continuer à se mobiliser. Voilà un peu la lecture que j'ai faite. Hein. Ah, Abba ah. la Cour de la CDAO peut-elle invalider les résultats de la présidentielle du, 2021 au Niger Non, je pense que c'est vraiment euh, peine perdue à mon avis. C'est juste un constat que je fais parce que euh, ces élections-là ont été validées par la Cour constitutionnelle du Niger les personnes qui ont été élues dans le cadre de ces élections-là, le président de la République, tout comme les députés et même les maires aujourd'hui, tout le monde est, installé. N'est-ce pas euh, Je ne vois pas en quoi la Cour de la CDAO, la CDAO, comme m'a dit euh, est en train de se chercher aujourd'hui ils sont euh, remis en cause dans le cadre de plusieurs euh, affaires. Il suffit que tu touches à quelqu'un, il va dire même que je quitte la CDAO. On entend bien les Maliens et les Guinéens aujourd'hui. Et euh, avant ça, Tangel en a, en a, parlé. donc vraiment, moi, je pense que la CDAO n'a pas le pouvoir de démettre un président de la République que les juridictions du pays ont installé. Et donc vraiment, euh, et je n'ai même pas vu d'ailleurs un président ou une opposition qui, en Afrique, vraiment, après avoir été euh, déclaré euh, vaincu, est venu prendre le pouvoir. Bagbo l'a fait, mais Bagbo a fait avant la proclamation du pouvoir, quand il a senti qu'on va le voler et qu'il était, qu'il se sentait élu, qu'il avait les forces nécessaires, il a marché sur la présidence, il a occupé et il s'est fait investir. Donc, Momo Ousmane n'est pas pour ça mais euh, il doit se contenter d'être président de, l'opposition, président, euh, un opposant, n'est-ce pas, l'opposant numéro un, pour avoir été élu avec le pourcentage qu'il a et tout, et attendre les élections prochaines. On a beaucoup à faire et une lutte sans issue, vaut mieux ne pas l'engager à mon avis, bon, oui, il a un avocat, on ne sait pas s'il le paye ou pas, mais quelqu'un qui va faire son chat de temps en temps. Donc, vraiment, donc, <laughs> vraiment, moi, ce qui a lieu de faire, à mon avis, c'est vraiment de venir jouer son rôle d'opposant. Tout le monde ne peut pas être président en même temps. Lui, il a eu la chance d'avoir été président déjà. Donc, il n'a qu'à venir vraiment aider les Nigériens à faire correctement ce qu'ils doivent faire et se refaire une popularité et essayer peut-être de se faire élire prochainement. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à cette série de déclarations des agents de l'hôtel Gawé de Niamey. Les agents de cet établissement accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont tenu jeudi dans l'enceinte euh, de l'hôtel une assemblée générale. La situation de l'établissement au bord euh, du dépôt euh, de bilan, la réquisition de l'hôtel par le gouvernement en Niger pour euh, héberger euh, les cas contacts de la maladie euh, de la COVID-19 a gravement impacté la fréquentation, explique le délégué du personnel et président du comité d'établissement Abdeslam Missiaka. Hussein que faut-il comprendre au sujet de la situation de l'hôtel Gawé de Niamey que faut-il comprendre C'est qu'on veut se débarrasser de cet hôtel-là, n'est-ce pas C'est pas autre chose mais, mais, est-ce qu'il n'y a pas d'autre euh, manière plus simple non, de, non, se débarrasser L'hôtel Yahweh était l'hôtel de référence à l'époque, n'est-ce pas N'est-ce pas C'est Kunche qui a décidé de la création. Oui, mais bien évidemment, c'est qui a décidé de la création de cet hôtel-là pour que le Niger puisse avoir un hôtel digne de ce nom ou les gens. Maintenant, il y a des hôtels où des, des étrangers, d'autres nationalités sont venus construire des hôtels. Il fallait créer. Parce qu'on ne peut pas réquisitionner un hôtel comme ça pour dire c'est là on va héberger les cas contacts, les, cas, contacts de, COVID. COVID. C'est une façon de dire bon, <laughs> l'hôtel cesse de devenir fréquentable. c'est un peu ça. Mais une infrastructure hôtelière de cette nature, de cette envergure, moi je considère que tout ce qui s'est posé, tout ce qui s'est fait, c'est une façon d'arriver à un niveau où l'hôtel va être bradé. On a vu comment l'hôtel, euh, comment on appelle ça, le grand hôtel, euh, le grand hôtel, ah, le, grand, hôtel, oui, bien évidemment, c'est un patrimoine de l'État. On a vu comment ça, s'est passé, un peu l'hôtel Sahel également, on a vu. Mais moi, je dis quelque part, on n'a pas besoin de passer par ces mécanismes-là pour se débarrasser de ces infrastructures-là. On peut créer les conditions pour que ce soit dans, une, dans le cadre d'un partenariat où l'État quand même a un droit de regard par rapport au fonctionnement de l'établissement. Les agents sont en train de faire leur bruit. Ils ont voulu un temps vendre ça à au groupe Azalei, comme ça, je ne sais plus. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais il y a toujours. Parce que l'emplacement même de l'hôtel, quand vous voyez bien l'emplacement de l'hôtel, sur le bord du fleuve. Mais justement, c'est important. Mais maintenant, les conditions ne sont pas, en tout cas, créées pour que ce groupe-là, qui est quand même une chaîne, une chaîne importante, puisse, puisse comment D'autres ont parlé aussi du groupe Bravia. Oui, mais qui a tenté aussi de vouloir prendre ça, mais qui n'a pas. Mais il faut se dire une chose, c'est que, d'accord, mais l'État, quand vous avez souvent des invités et tout et tout, il faut forcément trouver un endroit où il faut les on a créé des hôtels, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut détruire un hôtel qui existait avant, parce que tout simplement, on veut faire la promotion des hôtels qui ont été créés et qui sont souvent gérés par des expatriés. N'est-ce pas On est dans cette situation-là. On est dans cette situation. Est-ce que c'est normal Aujourd'hui, tout le monde tend vers le nationalisme. Nous, on est en train de tendre vers, je ne sais pas quelle situation où on n'a plus rien ou c'est les autres qui viennent, Niger, ils prennent, on vend l'eau au Nigerien. La France <laughs> vient vendre Notre fleuve là, l'eau de notre fleuve là, ils viennent, ils vendent. Et tout le monde est content avec ça. Pourquoi Ça fait 20 ans. 20 ans. Et on n'a pas renouvelé, ou, du moins on n'a pas dit, est-ce que le contrat a été de manière tacite Alors, l'eau, l'eau de chez nous, cette eau là d'accord, l'eau devient ou quelque chose comme ça, ça vient de quelque part. Pourquoi on va nous être dans une situation au XXIe siècle où on continue à vouloir dépendre que c'est quelqu'un qui va venir nous développer Personne ne viendra te développer. Personne. Où tu prends tes responsabilités pour te battre en fonction de tes ressources, des moyens, de ton environnement, ou bien tu vas aller te coucher. Quelqu'un va venir, il va t'exploiter, il va s'en aller. Alors, Mahmoud Suleiman, euh, situé au bord du fleuve Niger, comme l'a dit euh, Ousseini, face au musée national Boubouama de Niamey, l'hôtel Gawé était euh, l'un des meilleurs cadres exceptionnels de la capitale. Comment expliquer sa situation d'aujourd'hui Franchement, c'est assez gênant et regrettable pour notre pays euh, j'aurais aimé que cet hôtel soit parmi les hôtels les plus en vue à Niamey. Quelque part, il y a eu ce que, euh, si j'ose dire, une défaillance. Il y a eu dans le processus de. Euh, L'État voudrait rester propriétaire de cet hôtel, quitte à le confier donc, à une gestion privée. Mais puisqu'on a engagé un processus où on va permettre à des privés de venir créer des hôtels euh, en tout cas hors du commun parce que vraiment aujourd'hui c'est des gratte-ciel qu'on a euh, qui n'ont rien à voir euh, effectivement ce qui s'est passé aussi avec le Covid c'était très malheureux dès qu'on a vu on entend on a dit que vraiment c'est vraiment le coup de massue fatal pour en tout cas tuer ce totem euh, donc, euh, moi, je pense que. Mais, mais après, après la Covid, euh, on pouvait quand même aménager l'hôtel En fait, en fait, je pense qu'il y a deux, responsabilités, à mon humble avis, qu'il faut considérer. La, le manque de vision, en tout cas au niveau de l'État, mais aussi la mauvaise gestion de ceux qui ont à gérer l'hôtel. Il n'y a pas eu cette synergie, donc, parce que je pense que lorsque ça ne va pas, l'État pourrait et simplement confier ça au privé, quitte à prendre en tout cas ceux qui lui reviennent, mais les faire louer l'hôtel. Mais aujourd'hui, en tout cas, face aux hôtels, euh, nous, Bravia euh, et les autres, franchement, hôtel Gawé n'a pas d'avenir. À moins qu'on trouve en tout cas des, privés. Mais seulement ce qu'il faut euh, en tout cas rappeler, tu, l'as dit, ce hôtel-là, c'était comme un, un, hôtel vraiment où avant, comme euh, euh, j'ai lu un article de Jeune Afrique, des grands présidents ont, vraiment, quand, les gens avaient, euh, voulaient venir, le, comment, le rallye, rallye à l'époque, les gens veulent aller là-bas parce que c'est un cadre vraiment exceptionnel. exceptionnel, absolument agréable. mais aujourd'hui, tout simplement, je pense que c'est une mauvaise affaire. et c'est, comme je l'ai dit vraiment en, en, en, résumé, c'est gênant. On aurait pu faire en sorte que dans les hôtels où les plus envie aujourd'hui, que l'hôtel Gaoui soit en tout cas parmi les hôtels. Autrement dit, l'État pourrait vraiment mettre les moyens qu'il faut, même s'il le justement, amener les mêmes privés qui ont en tout cas créé ces hôtels, en tout cas euh, qu'on puisse avoir, en tout cas ne pas brader. Surtout que, regardez par exemple euh, le, choix, le palais de congrès, et, il a l'hôtel Gaoui justement. Euh, donc quelque part, franchement, je, je, me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on n'a pas vraiment trahir l'intérêt général, en tout cas de la gestion de l'affaire euh, l'hôtel Gawé. Abakari Arimi, les agents de l'hôtel Gawé cumulent 7 euh, mois d'arriérés de salaire. La privatisation de ce joyau est-elle la solution comme l'a préconisé El Hajj Mahmoud Suleiman et Nissa En fait, les Nigériens voient les choses venir. Aujourd'hui, de la même manière que nous, nous sommes en train de parler euh, de la privatisation de l'hôtel sans que personne ne sorte le nom au niveau officiel, euh, ça veut dire qu'on voit les choses venir. Un moment, euh, la Nigelec, on avait tellement de coupures, tellement les gens ont dit non, attendez, ils veulent vendre. Apparemment, l'État s'est détracté, et rétracté, heureusement. Avec la SNE, ça a marché et nous buvons sous des pompes euh, françaises, ça fait plus de 10 ans, notre propre eau. en fait, le problème, c'est le libéralisme absolu dans lequel nous sommes engagé Et donc, ça donne vraiment l'opportunité aux valets locaux vraiment de, euh, de, vendre tous nos joyaux. Parce que l'hôtel Gawé, c'est un joyau. Même si cette histoire de pont ou comment on appelle d'échangeur mhm. est venue gâcher la vitrine de l'hôtel euh, Gawé. Aujourd'hui, on passe, mais on n'aperçoit pas l'hôtel Gawé. Par contre, euh, même par rapport à ces hôtels de haut standing n'est-ce pas euh, On connaît aussi les conditions dans lesquelles ça a été euh, construit, n'est-ce pas Vraiment bradé, euh, donné sur des assiettes en or vraiment à, des, expatriés. Parce que si on prend l'hôtel qui est à côté de l'hôtel Gawai, comment on appelle quoi Blue, quoi Blue, Radisson. Blue Radisson. Mais c'est la direction nationale de la douane qui a été écrasée hein, pour construire ce truc-là. Mais pourquoi l'État du Niger ne peut pas je viens de le dire, c'est au nom du libéralisme, c'est les autres qu'il faut laisser, tu lui donnes tes propres biens, tu leur brades, tu crées les conditions de leur brader. Parce que, quoi qu'on dise, oui, on a logé euh, les, malades de Covid là-dedans, on a essayé de ne pas organiser grand-chose là-dedans. Tout le monde même a peur d'aller là-bas parce que tu, peux, euh, tu risques d'attraper la Covid. Mais ça reste même au plan international, euh, n'en parlons même pas au Niger, ça, reste malheureusement un cadre de haut standing, le palais de congrès, euh, l'hôtel Gaway. Quoi qu'on dise, euh, je ne sais pas si les gens ont eu l'occasion d'assister à des activités là-bas, qu'on dise aujourd'hui que les gens ne sont pas payés. Avant-hier seulement, quelqu'un dont je le nom était à la recherche d'une date pour organiser une cérémonie, une, euh, une cérémonie, un lancement dans un hôtel de la ville. Il a fait tous les tours, Il a dû reporter ses son activité de deux ou trois semaines parce que toutes les salles sont occupées. Mais l'hôtel Kawi euh, n'est pas capable de fournir cette prestation parce que pour tous ces conseils. Autrement dit, on veut rabaisser cet hôtel-là de force. C'est un hôtel qui tient la route. Parce que qui, ne connaît pas euh, le service au, palais de à l'hôtel Gawai, que ce soit les chambres ou la nourriture, c'est quand même un service de qualité qu'on dise encore. Voilà, nous sommes au terme euh, de ce forum euh, de la presse. Merci à nos invités, Abachari Armi, journaliste à la radio alternative, Alhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes suivi, euh, l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à à partir de 18h15 samedi et dimanche. Euh, le samedi, le forum en Hausa et dimanche, euh, le forum en Germain. Merci à la technique. Euh, régie sont assurés par Mustafa Yuba et à la réalisation vidéo Issa Lawali. Merci, au revoir.